La rencontre d'aujourd'hui, en fait, on l'avait déjà faite, cette rencontre, en effet, pour euh, l'ouverture déjà de cette cantine. Mais ça fait que, bon, on n'avait pas signé la convention. Aujourd'hui, c'est simplement une signature, donc le discours ne sera pas long. On avait déjà épuisé tous les volumes de discours qu'on avait à faire. Mais euh, j'aimerais simplement attirer l'attention de tout le monde par rapport à une chose. Euh, les cantines que vous voyez ici, ce ne sont pas des cantines scolaires, ce sont des cantines universitaires. C'est-à-dire, il y a une différence. La cantine scolaire, euh, la gratuité des plats est officielle à ces cantines-là. Au niveau de ces cantines-là, c'est commercial. C'est-à-dire, quand, quand vous voulez un plat, vous devez l'acheter. les prix peuvent être subventionnés par l'université, mais c'est un achat. C'est différent des cantines scolaires. Les cantines que nous avons au nord sont des cantines scolaires subventionnées par un projet et donc euh, euh, le projet donne une partie, l'État du Sénégal aussi en donne une autre partie. Et ce qui fait, ce qui fait fonctionner ces cantines-là. Ici, ce sont des cantines business. Notre projet s'appelle Projet des entreprises des services du mille. Il a été financé par USDA. Euh, mais quand vous l'entendez en français, en général, des fois, vous ne sentez pas le mot business. Mais si vous le prononcez en anglais, vous allez voir le mot business à, l'intérieur. il s'appelle euh, euh, Millet Business Service Project, MBSP. C'est-à-dire c'est un projet euh, dont la vocation est d'aller vers le business. C'est-à-dire de sortir du fait que bon, on, on produit simplement et on s'arrête là et ensuite on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais c'est d'abord le slogan, c'est transformer pour tirer la production, c'est-à-dire transformer, c'est-à-dire ajouter de la valeur pour que la production soit tirée. Sans cet, sans cet ajout de la valeur, aujourd'hui, la position ne peut, pas être tirée. Et donc, c'est ça, en fait, notre slogan. Et la cantine que nous avons mis ici, que nous avons euh, implémentée ici, c'est juste un test, mais qui peut, qui peut grandir. Ça dépend des Kaolakois, ça dépend de, l'UFR euh, d'ici, ça dépend de l'université de, de Sinsaloum. S'ils veulent le faire grandir, demain, nous, on peut en avoir à Assansec, à Giguinchor, on peut l'avoir à UGB, à Saint-Louis et même à l'université chez Antadio. Je tactinais tout à l'heure euh, euh, euh, mon professeur pour lui demander à quand, à quand on va mettre une cantine à l'UGB, à, à l'université chez Anta de Dakar, là où j'ai étudié. J'aimerais bien voir là-bas une cantine aussi. Et donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si on s'y attelle très bien, si on travaille dans la qualité, comme l'a dit le proviseur, tout repose sur la qualité. Djigeni, Salimata, cantine bi, dina qualité si qualité fa ngeen di joxe qualité donc il faudrait qu'on se dise très tôt la vérité si vous n'arrivez pas à avoir la qualité il n'y a personne qui sera là pour acheter parce que vous n'offrez pas vous vendez et les gens mettront leur argent uniquement que là ils se sentent vraiment à l'aise et donc je vous exhorte à assurer cette qualité là. Je suis très attaché au mille. parce que quand je suis revenu au Sénégal en tant que jeune chercheur mes premières recherches, c'était sur le mille. Et vous voyez, des choses que nous faisions à l'époque étaient très pointues, sur lesquelles nous avons publié. Peut-être c'est maintenant que nous voyons certaines de leurs réalisations. Et je suis très content et très fier de voir qu'il y a une cantine de type particulier. Vous avez bien fait de préciser. Ce n'est pas la même chose donc que les autres cantines qui s'installent ici au niveau de l'université, qui va permettre un partenariat entre l'université les organisations de transformateurs et de transformatrices, donc les structures euh, euh, d'appui, et tout ça au bénéfice de nos élèves et de nos étudiants, de nos étudiants. Ceux qui sont dans la transformation, ceci est important. Ceux qui sont dans la nutrition, c'est important pour eux. Ceux qui sont dans les sciences économiques également, tout cela est important pour eux. Ceux qui sont également dans l'agronomie, la production, etc., tout ceci est important. C'est le mille, mais demain aussi, d'autres peuvent penser et imaginer je veux dire d'autres spéculations sur lesquelles ils vont travailler. Parce que nous sommes une université métier, donc en même temps aussi, ça veut dire que nous devons travailler pour donner, c'est ce que nous faisons, donner des compétences à nos jeunes pour qu'ils puissent certes être embauchés quelque part, mais demain que tout ceci, grâce à l'accompagnement qu'ils ont sur le leadership, sur euh, comment sur l'entrepreneuriat, qu'ils puissent développer eux-mêmes leurs propres initiatives et leurs propres activités, de façon à pouvoir s'en sortir.

ki koy bay dina koy jëriñoo parce que da daan bay ba pare du xam fu mu koy jaay waa ji wax na léegi ni ñetti kilo dugub ndaw si wax na léegi ñetti kilo dugub lañu daan wecc ko benn kilo bu gisee fu mu koy jaayee ba jëriñoo mbayam booba njëriñ am na si beneen bi si des mooy ñiy transformé bu fekkee lii amul woon ba amuñu luñ transformé duñ transformé buñ transformé daañu jël ay xale yu leen liggéeyal kon dina dugg si joxe liggéey beneen bi si des itam dañuy wax nii ci feebar fa mu feebaree garab ya fa nekk moo ko mën a faj mbéy mi ñu mbayee si réew mi ki dëkk si réew mi moo moom moo la gën a jox wér gi yaram mbay ma ñu mbéyee sa àll ba dañuy wax ni dimb dafa baax wala garab goo mën a tudd gu mu mën a doon dafay faj doomu adama mais boo dëkkee senegal feebar xas dimb gi si Sénégal naan moo la gën a man fas si nga xaj xas dimb buñ la jëgalee Amérique wala Italie wala Espagne ku nak consommer local aussi fay participer ci wér yaram benen bi tamine day service intellectuel intellectuelu yi puisque da leen di doli xel puisque ku melni man lepp loy sakku ci walu xam-xam bang koy sàkku boo xëyee fonn ngay ndike wala ciere bu beccege nga añee laaxu ngurbaan wala laaxu basap bu gude nga ciere wala euh, mbaxalu salum nga dem ba am niveau intellectuel bi ñu jëlee la sa loola nga doon dund nga xam ne si la sa xel doon dund yóbbu la jox la beneen dund kon yaa ngi si leneen kon dina participer njàngu xale yaakaar naa ni waa ji wax na léegi taux de réussite bi fi am mais bu ñu consommé lii bu ñu consommé lii année bi ba mu jeex dinañ am taux de réussite bu double bi ñu amoon yàlla na ko yàlla voilà kun lii njëriñam fu ko mën a nat rek passé na ko te ñu koo xam ñu dem ba 6 mois voire 1 an